comme le président j'ai vu qu'il a essayé même de répondre à des gens parce qu'il faut respecter saluer posture même les journalistes qui étaient là-bas parce qu'ils ay kilifa ñoom mhm. travail, ils ont fait le travail déjà féliciter le travail taxawaay bi nga avec mhm. mais tu vois ailleurs où des gens critiquent dans sa presse etc. les journalistes sont tous là pour faire le travail comme je l'ai dit vendredi sur waxoon euh, interview bu ko fait beneen média CNN mhm. toute la presse sénégalaise allait reprendre te kenn du ci polémique pourquoi quand le président accorde des interviews à certains médias bon il a ay nit quand même de mauvaise foi je pense que c'est malhonnête. et et, puis ça saluer également la démarche de Papa Léon de la de la de la RTS.

Euh, déjà comme nous, je dit, saluer euh, la démarche du président parce que je suis un japonais respect mhm. euh, journalistes sénégalais et respecter également à Sénégal parce que su le président des sénégalais ce première interview je pense que constance la être une démarche parce que même on sur le plan diplomatique avant muy nous di cette ay ñu nekk commencer Afrique d'abord mhm. nos voisins immédiats bi mu demee ba nga xamante ne sollicité nañ ko parce que bi mu demee France comme ni mu ko waxee sollicité nañ ko pour des et consul mais na primeur bi maa ngi koy jagleel la presse sénégalaise. mu nekk quelque chose bu nga xamante ne dañ ko war a saluer parce que dañ ko daan ŋàññi boo ko daan ŋàññi nag ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko fi jiitu woon moom mu def ko il faut que nga applaudir parce que wax dëgg yàlla lu baax boo ko gisee il faut que ko nga ne lii lu baax la donc loolu man dama jàpp ni respect bu nga xamante ne daf ko defal la presse sénégalaise. foofu nak lool moo tax ma polémique bi nga xamante gis nañ ko après ñu naan wa pourquoi ñi pourquoi pas ñele dafa nekk lu nga xamant man pour man polémique inutile la d'autant plus que journalistes ya nga xamante ñang fa nekkoon ils ont posé les bonnes questions. Mhm. waaw question yi nga xamante ne Sénégal ñu ko doon xaar journalistes yi posé nañ ko amul ben question bu nga xamante ne élu nañ ko rapport am ak. Euh, Ousmane Sonko mhm. posé nañ ko caisse noire yi. Euh, nan lay cohabiter ak palais tout cela euh. pet gaz mhm. toutes les questions affaire euh, crise bi nga assemblée nationale donc toutes les questions yu nga sénégalais ñu les journalistes ya les questions donc dans la forme benen bi également pour askan également interview en wolof une langue national bu nga pratiquement la majeure partie des Sénégal en tout cas dégg nañ ko ben partie également dafa nek lu nga na Sénégal mais soxal na également ñi nga xamantene mm-hmm. surtout crise affaire crise CEDEAO bi nga euh, li nga dañ ko ko jox c'était normal que mu en français